di and nañu ñaari yoon ba ñett yoon joge Dakar ñew set si ten El eh, nyar Ibrahima Niass tay tay ñom ñaar ñepp ñu tedd fi kon wax deug yalla damay ñew ziaré seigne Ibrahima ñew sama kóllëre ak suma xarit sama doomu ndey Sidi Lamine Niass ñom ñepp ñi ngi ñaan yalla nun leen yalla fayal waye man aussi ma ngi leen di sama loxo ni nan ma ñaanal ba lima ma bëgg ci réew mi yalla defal maka te bu ma tas mukk yaakaaru réew mi di yàgg na ma conseiller yàgg nañ diisoo si sama ambition bi ma bëgg jiite réew mi yàlla xam na ni lu jiitu rek deux jours avant yàlla di ko moom euh, waxtaan nañu mu may euh, mu fàttali lu bëri mu may conseiller si lu bari kon mënuma woon ñëw Kaolack te jëkkewuma fii loolu tax ma décidé woon su ma ñëwee fii laay jëkke feddali kóllëre tàllal sama loxo ñaan leen je suis venu marquer mon amitié mon affection profonde envers Cyril Lamine il repose ici il me revenait de faire euh, la première destination que ça soit aujourd'hui Léon Niassène pour venir me recueillir devant j'ai eu à le faire et j'en ai profité pour prier pour lui et pour prier pour Elhaj Ibrahim Agnès Mais aussi, je leur ai demandé à leur tour de prier pour moi pour que Dieu puisse exaucer mes voeux de devenir demain le cinquième président du Sénégal. Qu'est-ce Sidi représenté pour vous ah, était un ami, un frère. Nous avons beaucoup partagé. Nous sommes venus à plusieurs reprises ici à Médina, à Léona et à Médina Baye voir Seigneur Ibrahim et de l'autre côté, aller rencontrer Seigneur Cheikh Donc nous étions très proches. Nous avons parlé seulement deux jours avant, avant que le décret divin ne tombe pour marquer la profondeur de nos relations. Aujourd'hui, j'avais pour devoir de venir me recueillir devant sa tombe. Je l'ai fait, je suis heureux de l'avoir fait et je suis plus, plus que jamais déterminé à réaliser ce pour lequel on passe tout le temps à discuter, c'est-à-dire mon vœu, mon ambition de diriger le Sénégal.